j'avais tenu à faire une visite de courtoisie au général des Layènes après ma prise de fonction euh, pour venir d'abord euh, recueillir ses prières échanger avec lui sur les préoccupations sécuritaires de l'heure dans un contexte euh, très particulier de lutte contre le terrorisme, euh, lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Donc j'étais venu me présenter et échanger avec lui sur tous ces sujets, recueillir ses prières. Yoff est une agglomération très importante de la ville de Dakar. mon devoir de lui suggérer peut-être euh, l'implantation d'un poste de gendarmerie ou d'une mm. brigade de gendarmerie. pour Mieux prendre en compte les préoccupations sécuritaires des, talibés ici et des citoyens de la ville de Yoff. Mm. J'ai trouvé auprès du calife mm. et de ses euh, disciples toute la compréhension, toute la considération requise euh, face à ces nouveaux phénomènes euh, qui interpellent tous les pays du monde, de l'Afrique, la sous-région. Le Sénégal, euh, qui jusque-là épargné, ne pas euh, rester les bras croisés. Il faut une implication de toutes les parties de la société pour éradiquer le phénomène de la criminalité et du terrorisme. Nous donc du connus, nuyu affaire kala ngay askan wi nek fi ñu Yoff di ko xamal ne sun sañ-sañ dal mo doon buñ mënee def fi ben poste gendarmerie wala ben brigade gendarmerie pour que sécurité bi ci gox bi ñu gën ko mëna fank bu baax baax yooyu yépp nak waxtaan naa ci moom te xam naa ne balaa yàgg rek dina ci am ay tontu ay réponse yoo xam ne na mën a tax loolu euh, ñu mébét ñu daal di koy euh, dëggal